ne pas respecter ses parents, avoir la diplôme chômeux, avoir la richesse à misère. Nos mamans ne font que pleurer. Les enfants sont vides dans le désert. La France ne fait que nous niquer. Les promesses sont faites, blabla. Bla. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Eh. Pourquoi toujours nous Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi toujours nous Toujours nous, toujours nous. Pourquoi pas et eh? Voilà. Pourquoi toujours nous Pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi toujours nous Hey Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, la pioche s'exprime. Hey. Vous vous rappelez certainement de l'artiste La Pioche. Elle était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss Nous avions parlé du parcours en question de la combattante. Elle a commencé la musique en 2020, moins d'un an. Elle a occupé ces derniers temps la toile, les réseaux sociaux, Facebook, tout le monde en parle vous avez eu la signification de la pioche. chanta. pioche. Aujourd'hui, sur cette émission, dans ce temps nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour parler de sa musique, pour parler de son freestyle, pour parler de ses projets, pour parler de son album. Mais c'est ça, l'équipe jeune du studio Kalango. C'est Nisaka. Moustapha, ils sont de l'autre côté, la surréalisation de cette émission. Et les humains sont de l'autre côté, ils nous observent. Cardi B, Nigérienne, La Pioche, notre grand P, P comme Pioche. Nous te souhaitons. Ah, n'empa, Voilà, Alaina. Voilà, grand P, mon enfant. Oh, <laughs> La Pioche, je te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Ça va très bien. Tu pètes la forme Ouais, ça va, Dieu merci, Alhamdulillah. On te souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette émission. Hier, on était ensemble, on avait parlé de toi, on a parlé de la pioche dans toutes ses formes et dans ses dimensions. Aujourd'hui, nous allons parler de freestyle. Freestyle, commencez d'abord par ce que tu viens à l'instant de faire. C'était quoi le truc C'est quoi le titre Pourquoi c'est pas de l'égoïsme. Donc, c'est pas ah, de l'ego. C'est pas de l'ego. Ouais, c'est Après, je c'est pas de l'ego. Ah, ok, c'est pas de l'ego. c'est ça le titre de la chanson. Voilà. Pourquoi Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce que tu racontes dans la chanson Premièrement, des choses, ne pas respecter ses parents. Oui, bien sûr, on doit respecter nos parents quand même. Ça, c'est la première des choses à faire. Avoir la diplôme et chômer. Avoir la diplôme et chômer. Ok, ça fait deux. Avoir la richesse à misa. Avoir la, la richesse à misa. On oh, est mon femme de misa. Sangunugon de bata. go misara. Olmo bindi, il faut aussi la diplôme et pourquoi pas le diplôme. Nous de bata. Oh nisiga kaga guwagma kandi gushotara ah. nubode ga gai nubose oh, voilà richesse admise ah. et aussi pourquoi pas là la pourquoi diplôme. le oh, et pourquoi pas le diplôme oh. j'ai décidé vers la, euh, le diplôme avoir la, euh, le diplôme chômé oh. nene askoy nous on fait quand bon là là voilà. pourquoi la diplôme est chômé donc nous

Plus ça, il me répétait. Manque de répétition vraiment. Trois, quatre fois, je vois que c'est bon. À mon avis, plus je ne demande pas, à ceux qui par cœur. Ouais, je crois à Richelieu avec sa bref. Ah, ok, donc elle Alhamdoulilah. Maintenant, nous allons freestyle pour qu'on fasse le 15. Le 15, nous freestyle qu'on fata. Aïe hangan, après, man, je suis fatigué. Nous, Qu'est-ce que tu racontes dans la chanson Dis-moi tu fais ça, tu fais exprès pour que ne pas style en fait, les gens du j'ai dit tout peut pas commencer forcément. Haïkul forcément. forcément. Donc les gens sont là-bas là. Les gens sont là. Plus il dit takin takin takin. Je suis fatigué, ah, je suis fatigué. je fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je Je suis fatigué. <laughs> Boreno Sinse, Yes, voilà. Est-ce que tu racontes de la chanson là, la chanson qui va sortir le 15 juillet prochain Tout ne peut pas commencer forcément. Mhm. Ça, c'est mon histoire. Mhm. Ils ont commencé à parler que je suis finie, mais nul ne connaît la volonté de Jordan. Mais voilà en train de la traumatiser, comme je le fais. Voilà, tu les traumatises, voilà. voilà. Une bonne traumatisée. <laughs> non, tu le, tu le traumatises. Parce que chanson musique, elle dit, gars, Allez, tabanifa. Bah, moi je suis fatigué. Traumatisé, Kouros <laughs> Misore. Voilà, nous sommes traumatisés. nous sommes à la fin de la rubrique. Il y a un de nos amis auditeurs qui m'a demandé de te poser une question. Est-ce que, Anne, comme l'une est pioche, ou on est nommé pioche, voilà. Anne, est-ce que Bourg est une fan de pioche Bon, ouais. Aïe, go, en fait, aïe, une fan d'art est-ce que boro gihingan nafan Boré kan go gune kan go gun gune est-ce que jigadin ni ba jigo alfadeno ga est-ce que jigadin kan ni cidin est-ce que Boré gihingan nafan da ai ganu da bore ce clipura na fengo modeno est-ce que du bortun gusu la sen sala ga muradu feri jigadin <laughs> bon bref wakan da fin waka gin te borai sai dai borai guguna borai guzume borai ga kulzambi ga ganan da rasi shakira no me shakira shakira <laughs> eh kanu mu buji gari ne su gusu fonsinda ne no machine on gande la pioche bag sambu congédara ta her bayde kan kuna ndugo te carton nugo cartonné facebook niger me amen kun jene go kan sanni son jeune folanke o kango gen gune ifode ifono nugoga wo wode nergna ha sanni bananta misali ga un projet halirgin Bye, se puto caldara di Putain je peux pas expliquer ton dieu cinq femmes full le contraire des trucs folies voilà, il euh, ne pas rater, ne pas rater vraiment. Voilà, trop de, de trop des choses dingues de folie. Ouh, kadaran des clips. Donc folio de moro, gchi oron se kangir ban. Kim ko, kim On y va.